voilà chers amis téléspectateurs yéen ñi seetaan à travers Thiès Média tey ji nag dañoo am mbégte ak contentement bu mag a mag ñëw fi nga xamante ni euh, casino di fi amal li nga xamante ni journée de l'excellence ànd ko ak waa lycée bu Madina Fall date bi nag vraiment mu nekk loo xamante c'est à retenir mooy euh, aujourd'hui c'est le samedi 23 euh, juillet 29 juillet

c'est vrai Assalamu alaikum, euh, Thiès Je suis à Fall comme nous nga ko waxee bi exactement ñu sommes woote tey le samedi 29 juillet 2023 avons organisé organiser journée de l'excellence du lycée de Medina Fall. comme nous nga ko waxee ci communiqué yi vraiment nous nañu autorité nañu autorités yëpp te ngi wuy instant mais quand même y nañ un maire de la ville de Thiès maire Thiès Ouest maire Thiès Nord ak euh, honorable député Abo Mbacké Thiam ñom ñep en tout cas invité won nañ leen té woté nañ inshallah dinañ teew quoi ñu ngi rafetlu surtout nag taxawaayu Thiès Média quoi parce que ñu ngi accompagner depuis daw ñom ñoo ñu filmé lon en tout cas suñu programme yëpp ren tamit buñu commencé avant ñu def bande annonce bi sax buñu ñu Seigne Abdou Abdou Sow voilà donc Abdou Mbacké Sow buñ ko woowee mu naan ma amul problème donc ñoo bokk bis bi ñoo bokk événement bi donc dinañ fa tay inshallah daw defon nañ liguey bu rafet ren tamit vraiment ñu ngi xaar ñu defaral ñu liguey bu rafet machallah ñuy nit ngi voilà donc ñu ngi leen di xaar. vraiment je dirais euh, chapeau à vous pourquoi mooy que euh dañu gis ni que c'est pas évident du tout. Euh, pendant 9 mois ngeen nek ko xalé yi deug deug ñu jang ba xamanteni ñepp ñëpp xam nañ ni jàng nañ ba tay ji ngeen war leena a delloo uh-huh. lo c'est une c'est une grande première la mon wax ben ji nak cette année si nekk deuxième édition bi lan mo leen gën a motiver ak tay ji naka ngeen gisee xalé yi li ñu jang ok sëñ comme ni ko waxé nonu lolu c'est un sacrifice que nous faisons pour nos élèves uh-huh. manam ben sacrifice lo xamné dañ koy défaral suñu élèves la quoi luñu war la suñu devoir la manam dañ ko wara def la c'est-à-dire instant bi suñu camarades nos suñu collègues nous sommes bi vacances mais nous avons un comité de pilotage bu restaurant quand même avec cinq collègues comme ça nous ñoo coordonné l'activité. quoi donc nous ñoo ci depuis l'examen de chaque jour ñu ngi dem école loolu suñu élèves yi dañ koy suñu élèves lañ koy defaral ou waa Médina Fall lañ koy defaral waa Thiès lañ koy defaral quoi parce que nous sommes des enseignants quoi donc euh, l'enseignement nous savons tous que sacrifice la quoi benn sacerdoce la donc loolu vraiment du ben problème ci nous quoi te inshallah, allah dinañ ko def comme euh, ni ko proviseur initié depuis daaw donc ñu ci taxaw ren taxawaat nañ ci bu déwénee incha allah donc dinañ taxawaat inshallah. allah. alors su nous ñëwee nag ci li nga xamante ne euh, programme bi tey jii naka ngeen ko tëralee c'est vrai léegi programme bi euh, dafa xaw vacillé dama xamul est-ce que dama koy jox. waaw mais euh, ñu ñu laal ci yenn point yi. Ah, ci laal point voilà exactement kon duñu programme depuis 8h, à 9h30, installation donc des invités quoi après ñu def benn ñaan vraiment comme que xam nañ ne comment dire jotaay la quoi. foog ñu def benn ñaan au moins euh, nit ñi mën a commencer ci jàmm àggale ci jàmm quoi après ñu jox kàddu proviseur bu ñu cadeau, kàddu proviseur suñu cellule histoire géographie bu nekk lycée de Medina Fall moom incha allah dina jël cadeau pour voir surtout si déperdition scolaire déperdition scolaire moy, xale yi xam ne bindu par exemple si CI à chaque fois légui dina am ño xamné ci si yoon wi ñom duñu ag quoi ba CM2 wala buñu ñu 6 sixième di nga gis classe yi fees dell mais bala ñu 3 troisième wala bala ñu ag ba ba lycée ñu wañé wàññeeku ci ñom ñu génn école wala en tout cas am ay raison yo xamné dina leen pousser ba duñu mëna jang quoi donc motax tax ñu tuddee thème bi déperdition scolaire quoi ak yenen, ak yenen yu fexew quoi xamnañ voilà donc moom boo leen ko suivre di ngeen gis euh, détail quoi incha allah après ñu jox kàddu itam ay autorités yoo xam ne Thiès lañ jógee ñu ngi fii nii Medina Fall wala si biir cees en tout cas ñoo xam ne jàppale nañ surtout si organisation bi quoi. parce que jot nañu ay ndimbal en tout cas yu bëri si autorité yu bëri quoi Thiès donc ñooñu itam dinañ leen jox kàddu incha allah léegi loolu boo bu loolu passé itam dinañ joxe maintenant prix nag lauréat yi. parce que ñoom ñoo tax bis bi am quoi donc ñoo xam ne ñoo jël premier seen classe ñoo xam ne seen liggéey vraiment day fa ràññeeku. ci lycée ba voilà ñu am ay moyens yo xamné yu quoi dinañ jox prix de consolation ay prix d'honneur ay prix spéciaux si xamné surtout def nañ examen bac ba paré ñu am mention A bien wala ay mention bien voilà donc dinañ jël prix inshallah ci bis voilà voilà beaucoup de yi ñuy seetaan dégg ngeen loolu monsieur le professeur indi nek nak deug deug lu am solo ànd équipe pédagogique, bi ànd parents d'élèves yi ànd koog képp ku doomu Thiès rek di fi yeewoo tay ji woo nañ la ci bis bi te deug deug nak autorités yi ñew nañu wuy massivement mu nek nak lo xamanteni c'est quelque chose à saluer deug xalé boko ko ba at bi jeex da fay bax loolu ngeen def lu melni parce que da fay motiver ñeneen ñi nga xamante ni tey jii ñu won wala jànguñu won donc nak suko ko rek mbokk téléspectateurs yi li jess ñu dugg ci biir yéggalé ko and ak ñi nga xamanteni moy wa lycée bu Madina Fall merci beaucoup merci merci voilà chers amis téléspectateurs ba tey rek ñu ngi waat fi ak ñi nga xamanteni moy comité d'organisation bi ki nekk ci bopp bi nag mi ngi nii à ma droite euh, sëñ Fallou Ndiaye lañ koy wowe euh, ñu jox ko rek euh, li nga xamanteni moy cadeau kàddu gi mu am ci

waaw xam nga lii dañ ko organiser woon rek juste pour motiver élèves yi motiver leen pour ñuy gis ni ah ku jàng bu baax kat dinañ la dinañ dinañ dinañ am nu ñu def ak yow dinañ dinañ dinañ la féliciter dinañ la primer pour en fait day tax ñoom ñuy xam ni à chaque fois boo defee lu baax di nga am lu baax daf leen di motiver daal. Mm-hmm.

professeurs yi bàyyiwuñu kenn élèves yi parents d'élèves yi ñom ñoom ñëpp ñu ngi japp ci li nga xamanteni moy journée bi parce que li aussi c'est pas évident du tout li da fay jëmmal li nga xamanteni moy mooy Madina Fall da fay jëmmal quartier day jëmmal li nga xamanteni moy mooy Thiès ci jëmi boppam parce que lo xamanteni suñu doom lañ ko defal doomu dëkk bi doomu réew mi lañ ko defar ba bu ëllëgee suñu maggé tekki mëna jëriñ li nga xamanteni ni moom mooy seen réew kon mbokku téléspectateurs yi ñu yegg ci biir wan leen li fa xaw merci beaucoup Mais nous savons que nous n'avons pas les meilleures conditions de travail. Mais malgré tout, nous parvenons à faire sortir la tête de l'eau. Pour ces raisons, donc, le proviseur Idrissa Niang, que nous saluons au passage, et que nous remercions en tout cas pour son engagement, pour sa détermination et pour son amour pour les études. C'est quelqu'un qui est en train d'abattre un travail colossal au sein du lycée de Medina Fall. Donc, euh, nous vous demandons de vous asseoir confortablement d'écouter avec une oreille attentive tout ce qui se fera ici. Et comme je l'ai dit aussi, nous nous excusons en tout cas du retard du démarrage des activités, indépendant de la volonté des organisateurs. Parce que eux, au moins, ils ont eu à abattre le travail qu'il fallait faire avant le jour J, à savoir distribuer des lettres d'invitation, de soutien et autres, et en plus faire ce travail donc d'achat, de cadeaux, d'emballage et autres, avec tout le nécessaire en tout cas, pour que les activités puissent démarrer à l'heure indiquée, c'était à 9h30. Il y a eu évidemment des parents que nous remercions d'avance, vraiment d'avoir respecté l'heure, qui sont présentés à l'heure, et que d'autres qui arrivent à compte-gouttes, mais malgré tout, on ne peut pas vraiment attendre éternellement. Maintenant, les activités vont démarrer. Avant cela d'abord, avant même que je ne vous lise le chronogramme, vu que nous sommes tous de confession religieuse, si différente soit elles mais ce n'est pas important, nous sommes un seul peuple et nous avons qu'un et une seule foi. Que ce soit une religion, de la religion musulmane, chrétienne ou je ne sais, toute autre religion que cela puisse être, nous avons une foi. Donc on va prier chacun dans sa confession religieuse, que ce soit en sourdine ou en haut, mais malgré tout, nous allons désigner quelqu'un parmi l'assistance pour guider cette prière. Voilà, Imam Isaac, <laughs> on vous salue au passage. Mais on avait déjà indiqué M. Sou, qui est en tout cas un gars aussi très dynamique, très dégourdi et très, euh, comment dirais-je, euh, je dirais un grand musulman, je dirais. Voilà, donc, M. Sou, إله إلا الله على العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Le lion rouge a rugi le don de la brousse, dont bon s'était lancé, dissipant les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. De frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frère, Sénégal debout unis sont la mer et les sources, unis sont la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Monsieur le préfet du département de Thiès pour son représentant. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thiès Nord pour son représentant. Honorable député Serigne Abomba tcham monsieur le maire de la ville de Thiès, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville, mesdames, messieurs les chefs d'établissement, mes collaborateurs, chers collaborateurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, mesdames, messieurs les notables de Medina Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, chers amis de la presse, honorables invités, Monsieur le Président du gouvernement scolaire, chers élèves, chers récipiendaires, je suis particulièrement heureux de prendre la parole à l'occasion de la présente cérémonie consacrée à nos différents élèves qui se sont distingués au cours de l'année scolaire 2022-2023 pour exprimer mes remerciements à l'ensemble des invités qui nous honorent de leur présence. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, en instituant cette journée, nous nous engageons à placer le mérite et l'excellence au cours de nos actions. Cette fête, nous l'en voulons solennelle, mais aussi populaire, car notre, notre souhait est de l'inscrire dans l'agenda du lycée voire dans celui du quartier. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de paraphraser l'entrepreneur et auteur français Didier Cour qui disait La maîtrise de l'excellence s'acquiert par la persévérance dans le travail, la pratique, la répétition et la concentration dans un long processus d'apprentissage. La pensée de l'auteur traduit éloquemment tout le fondement et la dynamique de cette cérémonie qui nous réunit en ce jour. En effet, les lauréats de l'édition 2023 méritent bien toute notre admiration et notre considération. Ces lauréats ont obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 16 sur 20 au cycle moyen et 14 sur 20 au secondaire. Et si toutefois dans une classe, les élèves n'ont pas les moins retenus, le premier reçoit un lot de consolation. Des prix spéciaux sont décernés aux candidats qui se sont distingués aux différents examens de fin d'année, que sont le baccalauréat et le BFM. Chers lauréats et lauréates, vous faites la fierté du lycée de Médinafal, de vos familles respectives et de votre quartier. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous remercions les autorités administratives et académiques, les parrains et marraines de la deuxième édition de la Journée de l'Excellence et tous ceux qui ont apporté leur contribution pour sa réussite. Nous remercions le directeur de Educ Advice pour le début d'un partenariat que nous voulons pérenne et fructueux. Nous remercions la communauté de Medina et particulièrement les anciens des élèves du lycée qui, dans un délai très court, nous ont permis d'ériger un abri provisoire en remplacement de la salle informatique qui devait être réhabilitée et équipée. Mesdames, et Messieurs, l'excellence a un coût et exige un environnement adéquat. Malheureusement, le lycée de Medina Fall, malgré les résultats obtenus, 51,79% au bac, avec 5 mentions bien, dont un major en série S1, et 74,44% au BFM souffrent de plusieurs mots. Parmi ces mots, nous pouvons citer en premier lieu le long cycle, puis suivre les déficits en salle de cours et l'installation électrique vétuste et non adéquate. Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, je ne saurais terminer sans toutefois livrer une petite adresse à votre endroit. Monsieur le censeur, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, et Messieurs les surveillants, je vous dis merci pour votre engagement, votre franche collaboration, pour vos remarques et suggestions malgré les conditions difficiles de travail. Nous remercions le comité de pilotage, dirigé par Madame Wad et ses plus proches collaborateurs que sont Michel Ibrahim Sori Sidibé, Seigneur Baldé, Seigneur Ndiaye. C'est grâce à vous que nous avons relevé le défi de la participation. Nous remercions également le gouvernement scolaire et son président, Serigne Fallou qui ont choisi cette année de s'investir pleinement pour l'embellissement de notre établissement. Et nous remercions enfin le personnel d'appoint et toutes les personnes qui ont travaillé avec nous pour le compte de notre établissement. Que la paix et la cohésion sociale continuent de régner au lycée de Medinafal, dans la ville de Thiès, au Sénégal et dans le monde. Merci de votre aimable attention. de l'excellence lycée de sargal xalé yi xam ñoo gëna a ci année bi xalé yooyu mooy ñi nga xamni ñom seen moyenne dina toll wala mu ëpp 16 sur 20 bu dé cycle moyen cycle moyen nek 6 sixième ba 3 troisième bu dé ñu cycle secondaire seconde ba terminal ñoom seen moyenne dina tollo ou bien mu romb 14 sur 20 ci biir loolu daani comme ñëpp mënuñu am loolu dina def de telle sorte que xalé yi xam ni ñoo jël premier sen classe

ñooñu aussi dinañ leen dinañ leen sagal ñoom lañ jox donc les prix spéciaux buñ ci jógee tamit dinañ jël élève bi nga xam ni moo jël premier BFM e moo tam dana am dana am prix spécial buñ fi jógee tamit dañoo xool ñaari école la ñu am mooy le cycle moyen et le cycle secondaire ku jël premier ci cycle moyen bi dina am benn prix spécial ku jël premier ci cycle secondaire bi aussi dina am prix plus spécial le lieu nag bu c'est parce que am ay nit ñi ci ñi partenaires yi leen tudd léegi mais remercier ñoo remercier remercier parents di féliciter féliciter Saint parents di féliciter aussi di sargal personnel d'encadrement professeur

Vu que moi, n'étant pas un Wolof, je ne suis pas très à l'aise avec la langue, il me faudra naturellement être secondé par quelqu'un qui va m'épauler à parler un bon Wolof. Parce que sinon, si je vous parle, vous allez dire que, voilà, vous n'avez pas votre place devant nous. <laughs> je ne comprends pas très bien. Je comprends hein, si vous parlez. Je taquine, hein, je comprends bien. Mais je vais introduire mon doyen, doyen Gassaman. Vous comme dit le euh, général, euh, Balde waxee léegi ci nasaran yalla def na may ñu ñu dajawaat fi tay ci deuxième édition pour fêter l'excellence pour fêter les meilleurs élèves de notre lycée yéen ñep xam ngeen ni lycée medina Fall lycée bi nekk ci périphérie Thiès Nord muy lycée bi nga xam ne dañu laissé pratiquement en rate. yàlla suturaal ñu ba ba léegi ñuy muy baax ci résultat yi proviseur Idrissa Niang ñëw am benn touche bu bees bu mu indi pour gën a ñaax xale yi pour gën a motiver xale yi créer prix de l'excellence ñu def ko daaw mu nekk une réussite bu formidable ñu dàbbali ko ren te gis nañu impact yu mu am donc mu jël ci discours bi ramasser yooyu yëpp wax yooyu yëpp wax li ñu fi tax remercier personnel encadrement bi remercier personnel administratif bi mais remercier aussi parents d'élèves bi retourné waat ñaaxaat yi ndaw yi ni amna ñu fi nekkon daw nekkat fi ren amna ño xamne ne dinañ jóge fii dem ci ay études universitaires pour wan li ni li mbégte le fierté le ngeen gën a la fête c'est votre fête la fête de l'excellence c'est une fête des élèves et des parents les parents qui, ici, qui sont ici présents aujourd'hui sont fiers de vous sont contents de vous donc euh, redoublez d'efforts persévérer dans l'effort inchallah donc euh, bañ a parce que tant de dafa il faut que nous écoutions parce que nit ñi dañoo bëri soxla te cadeau yi ñuy joxe dafa bëri nous dinañu wàññi discours tout, tuuti jublu ci cadeau yi. asalaamaaleykum maa Assalamu alaikum, bon je suis désigné aujourd'hui pour euh, lire ce discours d'usage donc je représente la cellule HG. Hmm? Bonjour. Monsieur le préfet du département de Thiès, Monsieur le sous-préfet du département euh, de, Monsieur le sous-préfet de Thiès Nord, Monsieur le représentant de l'inspecteur d'académie, Monsieur le maire de Thiès Nord, Monsieur le président de l'APO, de l'APE ou son représentant, Monsieur le délégué du quartier de Médinefal, Monsieur le proviseur du lycée de Médinefal, monsieur le censeur du lycée de Midnefal, messieurs les professeurs et surveillants, chers invités et parents d'élèves, c'est avec honneur que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour non seulement féliciter nos élèves primés pour l'excellence de leur travail, mais aussi échanger avec vous sur un thème très important qui est la dépercussion scolaire. à guise donc d'introduction, tous les élèves inscrits en première année du cycle primaire ou du cycle moyen et secondaire n'achètent pas leurs études. Certains ont décidé d'abandonner et d'autres ont été exclus par le système scolaire. Ainsi, l'abandon et l'exclusion scolaire constituent les éléments fondamentaux de la dépétition scolaire qui, malgré tous les efforts consentis par l'État à travers le paquet pour l'amoindrir, garde toujours une proportion inquiétante. Au Sénégal, le taux d'abandon scolaire en 2018 est de 9,1% dans le moyen général et 11,4% dans le secondaire. Au niveau régional, c'est-à-dire ici à Thiès, le taux d'abandon est de 6,3% au moyen et 9,5% au secondaire pour l'année 2022. Dans notre lycée, c'est-à-dire le lycée de Midnefal, le taux d'exclusion pour l'année scolaire 2021-2022 est de 6,45%. Ce constat amer nous incite à nous intéresser aux causes de ce phénomène avant de s'apesantir sur ses conséquences dans la société et de dégager quelques pistes de solutions. La dépédition scolaire a de nombreuses causes, dont certaines sont internes à l'école. Le travail de l'élève, le travail des enseignants, les programmes, les salles de classe, la vie scolaire, etc. Et d'autres externes, environnement familial, milieu de vie, Merci Daoul. Et les parents aussi doivent surtout venir en aide à leurs enfants. Généralement, ils sont à un âge précoce, d'autres à l'âge de la puberté, avec les réalités qu'on connaît. Généralement, donc, ils sont très difficiles quand même à canaliser. Mais malgré tout, faisons les efforts, faisons les sacrifices nécessaires afin que les élèves puissent rester à l'école et avoir de bons résultats donc à cette période donc nous ni le maire de la ville de Thiès. il est empêché. mais toujours li a di def milieu scolaire bi. mi ngi seen wet donc tu euh, gàttal. Ah. loolu laa mën Je au nom du maire de la ville de Thiès. Masha'Allah. Masha'Allah. macha au maire de Thiès que le lycée de Médinafal est très content en tout cas des efforts de l'engagement en tout cas de l'appui surtout qu'il a eu à faire pour que cette journée soit effective. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je salue toute l'assistance. Je m'appelle Demagnaï. Je suis le président de la commission éducation de la mairie de Thiès Nord. Je suis venu accompagner l'adjoint au maire Mohamed Djakate. En fait, nous sommes venus représenter le maire de la commune de Thiès Nord, Biram Souley Diop empêché. Je me réjouis d'être dans cette salle et je suis habitué de cette salle où on a donné tellement de prix, on a organisé tellement de cérémonies parce que je suis du milieu, je suis enseignant de formation de métier et de cœur. M. Diakhaté, lui aussi, est enseignant. Donc nous sommes en terrain connu. C'est pourquoi, dans pareil milieu, nous nous sentons à l'aise et nous sommes vraiment contents, surtout qu'il s'agit de fêter l'excellence. Donc je salue au passage tous les collègues enseignants que je vois dans cette salle, M. Sey, Badania et autres, nous sommes connus dans le terrain, sur le terrain. Et surtout, <laughs> mon ami, le président, le partenaire de, de l'école, et nous avons travaillé, mon ami Biranguei et tous les autres. Donc, nous sommes venus représenter le maire Birem qui est un partenaire de l'école. Hein. Nous, nous le savons parce que nous, nous travaillons étroitement avec lui. Et tous les jours, il ne ménage aucun effort, en tout cas pour le développement de l'école, et surtout dans sa commune, la mairie de Thiès Nord. Il attache, il a un attachement particulier pour le lycée de Médinefal. Fall. Et nous sommes témoins des efforts qu'il déploie pour vraiment, pour que ce lycée-là connaissent un rayonnement. Et je peux donner comme exemple les efforts qu'il a déployés pour la construction du nouveau lycée de Médina, de Médina Fall. On a été récemment à une réunion au niveau de l'IA. Je pense que tous les obstacles sont levés et le nouveau lycée de Médina sera bientôt une réalité et les travaux vont commencer incessamment. Donc, pour vous dire que nous sommes très satisfaits d'être aujourd'hui ici, je ne serai pas long. Le maire vous envoie tout simplement un message de félicitations, un message de soutien, un message d'encouragement pour vous dire qu'il est à vos côtés il est votre maire, il est votre serviteur et il est à votre écoute pour éventuellement toutes sortes de collaborations pour le bien des populations Quand vous yi du ma nous, nuyu nous, nous sommes géer ñëpp ñun ci école bi la ñu bokk ci bi man mi lay presque 23 ans jàngale naa ko ci commune bi xamna fi lu bari jaar ci école yu bari jité fi école yu bari kon fi suñu suñu la yàlla def aussi ma ñëw servir Medina Fall yàlla def léegi ma dëkk biir Medina Fall ñi xam nañ ko kon man xew bi bu dul woon dara sax ci laa bokk monsieur Diakhaté ci la bokk monsieur le maire ci la bokk kon daal di leen gërëm di leen sant di leen war ne maire mi ngi seen côté muy guddi muy bëccëg lépp lu ngeen soxla su ngeen ñëwee ñu waxtaan ci luñ ci man ñu def ko ci di leen gërëm di leen sant que la fête soit et vous transmettrez donc au maire nos remerciements les plus cordiaux, hein, en tout cas pour son geste à l'égard du lycée de Medina Donc, euh, euh, lui aussi, il a contribué donc à, une, hauteur d'une somme très importante, je, dirais bien. Nous allons donner le micro à la délégation qui représente le directeur de l'AIBD, M. Abdoulaye Gueye. Madame Oumoukebe, à vous la parole. La mbolo mi ñi ngi di nuyu man la Oumou di coordonnatrice zone nord monsieur Abdoulaye djey commune nord andak une forte délégation waaye nek ci sama milieu tay muy éducation

Médina Fall mënuñu fi def dara ci moom ndax taxawaayam bu rafet lim si madame Waré Thiandoum lim si monsieur Armand Diouf di responsable politique bu mag madame Koumba Diarra euh, defe naa ni mbégte lañu am ci jàkkaarloog yéen di leen wax ni président Abdoulaye Dièye nee na Il est très honoré d'être le parrain de cet événement. Monsieur le proviseur, censeur, chères autorités, président Blay nee na moo waroon a ñëwal boppam que xam nañ ni agenda wam dafa occupé loolu moo tax mu la délégation bi di leen wax ni nee mi ngi ciy def loxoom lépp luy éducation mi ngi ciy def loxoom ndax xam nañ ni développement ci dëkk éducation da cee am yoon ñi ngi félicité lauréat yi ak lauréat yi di leen wax seul le travail pay di leen wax lii dafa neex te lii dafa naa ni war na encourager yeneen élèves yi ndax nga toog parmi temps ñu lay honorer dafa une source de motivation weesuwul lii di féliciter le lycée de Medina Fall ci résultat yi ñu def euh, macha solo c'est une école d'excellence euh, chère assistance ñi ngi leen di jaajëfal lu bare bare bari di leen wax ni président Ablaye Néna, il est au chevet de la population Les lu ngeen bëgg suba ba ngoon jot dina ci and ak yeen ñi ngi leen di jaajëfal lu bare bare bari Merci. Aujourd'hui, c'est la fête des élèves, mais aussi des enseignants, évidemment. <laughs> Parce que ces élèves ont eu ces excellents résultats parce que c'est le fruit du travail des collègues que voici. À leurs emplois temps, c'est du lundi au vendredi. Mais par contre, même le dimanche, il y a des professeurs qu'on trouve au lycée de Medina en train de faire cours. On ne va pas me démentir, censeur proviseur, n'est-ce pas Voilà donc, Gatchinga il y a un enseignant, il y enseignant surtout lycée de Medina avec les dures conditions de travail, les dures, les dures conditions d'études, vous parvenez à faire de bons résultats. Donc, merci à vous. Voilà ce que fait, que nous FITI Salvinga, salle, Fiti casino.

ah géré nañ ko daal élèves yi bari nañ trop. mais maintenant lan ngay wax am na sax ay rakk yoo xamante ni ñu ngi bëgg a ñëw ko ci lycée Madina Fall lan nga leen di wax suñ ñëwee foofu. ok fee ñu jàng yaru respecté professeur ak respecté. jaajëf merci beaucoup je vous remercie. voilà ba tey ñu ngi waat benn élève boo xamee Amy Mbaye lañ koy wax moom na jël premier ci seen seen classe mu nekk nag loo xamante ni ñu ngi wax moroomu élève am yi ñu xool ci moom également jéem a góorgóorlu bu baax a baax.

xanaa jàng rek. Hmm. jàng bi am na ku lay jàngal ci kër ga wala da ngay jël yeneen cours yoo xamante ni. kenn jàngalu ma jël ma benn cours may jàng sama bopp. am amuloo keneen ku lay dimbali ci njàng bi. yow yaa koy def yow kese boo ñibbee seen kër sa devoir et tout yaa ci góorgóorlu sa bopp. waaw. ah maintenant maintenant lan ngay wax nag sa rakk yi nga xamante ni ñu ngi sa ginnaaw di ñëw. xanaa ñu roy si man rek. Hmm. jéem a jël première seen classe avancé seen. soo màggee lan nga bëgg doon. man xanaa lu ma yàlla. Ah, mais xanaa di nga choisir benn branche boo xam ne peut-être loolu nga bëgg a suivre ëllëg. genre ingénieur. ingénieur nga bëgg a nekk. waaw mais il va falloir nga gën a góorgóorlu jàngat bu baax a baax. voilà ñu ngi lay remercier merci beaucoup. voilà ba tey maa ngi waan nag benn élève bi nekk fii sama wet ñu koy wax Maguette Dieye moom cette euh, année ci la am li nga xamante ni moom euh, BFM hein? comment ça a été cours ah parce que BFM bi jàll avec la pression mais on a on euh, génn parce que avec l'aide de nos professeurs ak soutien suñu famille génn nañ euh, on avait presque fini le programme euh, le jour de l'examen. mais déjà on sait ni jàng bi foofu am rigueur métti notre trop mais vous ngay ba gérer loolu ba génn ci li nga ah, ah, avec la compassion de notre de nos professeurs dañ ñu soutenu soutenir du jappalé aussi avec l'aide de nos parents et aussi amour buñu am si travail bi moo soutenir le plus souvent. pour ñuy génn si examen yooyu wala compo yooyu. seen professeurs yi fa nekk il paraît que dégg naa am na rigueur métti na loolu njàng mi noonu mais lan nga leen di wax ñoom ñoom ñi nga xam ñoo la pousse ba nga egsi fi nga toll ni tey. waaw li may wax professeurs yi premièrement mooy di leen remercier mais aussi ñu jàppale élèves yi te xam ne élèves yi ñoom ñëpp ñu ne sont pas au ñu niveau ñuy xëcc ñi nga xam ne ñëwaguñu ñi nga xam ne ñu ngi fi ñu leen di gën a réconforté. soo màggee lan nga bëgg a nit ko xamni day amal njëriñ réewam. c'est-à-dire ban branche met met euh, pilote nga bëgg nek wala lan nga bëgg nek non dans le domaine de l'ingénierie daal. ah mais il va falloir nga gëna continuer continuer war bu baax baax. lan ngay wax sarak yi nga xam ñu ngi top ci ginaaw di ñew ah di leen wax ñu góorgóorlu rek parce que fini Sénégal boobu c'est le travail pays de boo jàngulee même mën nga am lénen mais aussi li ngay japp du dëgër parce que fi ni dañuy gis aussi ño xamni am nañ sen baccalauréat mais dañuy décourager parce que dañ naan le bac ne sert à rien mais c'est euh, c'est quasiment faux parce que euh, même bu fekkente ne bac bi amo ci liguey mën nga ci jappalé ñenen par exemple ngay def ay cours renforcement li may wax aussi suñu sœurs ak suñu frères yi mooy ñu gëna a góorgóorlu tey bu dul dara sax li sen parents yi di sonu ci ñom ñu jëm leen ko fay ndaxte ñun jang rek lañ mëna a suñu parents seral seen xol. Merci beaucoup. Voilà, la délégation qui représente le directeur général de l'aéroport international de Dakar, M. Abdoulaye Dieye, en son... Voilà, à sa tête, je dirais, Madame Oumou Québec aimerait se retirer. il y a un diplôme de reconnaissance qui a été confectionné en l'honneur de M. Abdoulaye Jey, que le président va leur remettre. Proviseur. Merci à Abdoulaye Ndiaye et à toute cette belle délégation. En tout cas, c'est très symbolique. Et Medina Fall est honoré de votre présence à cette cérémonie. Merci infiniment. Badanyang secrétaire du conseil de quartier du Medina membre du comité dialogue social Moi, wax ci sama tour am kàddu yo xamni ni nag soxna si nga xamni ni fi togal Serigne Ablaye Dieye ñun wéy dafa am luñ ko kàddu yuñ ko wara mu dégg ko avant muy lepp nak aw yiw la bu ko défé rek ma jox bada kàddu gi Merci beaucoup président je rappelle donc que je parle ci ndigalu président Modijouf, qui est le président du dialogue social éducation commune euh, qui est aussi le deuxième vice-président du conseil des quartiers de Ménéfal représentant en même temps le délégué des quartiers. Il est aussi chargé de toutes les questions relatives à l'éducation au niveau du quartier médine euh, je vais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être ici aujourd'hui présents pour honorer nos enfants, nos fils qui se sont distingués vraiment de façon par l'excellence durant toute l'année scolaire et qui seront tout à l'heure euh, primés pour le travail qu'ils ont fait, l'excellent travail qu'ils ont eu à accomplir durant l'année scolaire. Euh, je vais d'abord remercier la présence de la délégation du maire de la commune de Thiès-Nord, à la personne du, président de la commission d'éducation, M. Dembagnaï, et de M. Diakhaté. Remercier l'inspecteur de l'éducation et de la formation de thiès qui n'a jamais, qui, qui, qui, ne ménage aucun effort pour permettre, en tout cas aux établissements qui sont sous sa responsabilité, de travailler dans d'excellentes conditions. Monsieur l'inspecteur, euh, nous saluons votre esprit de management qui inclut tous les acteurs du système éducatif, à commencer surtout par les parents d'élèves. Et si je le dis, euh, l'exemple de M. Mouridjouf ici présent euh, est, l'illustration la plus parfaite. Euh, vous ne prenez aucune décision allant dans le sens de l'amélioration du système éducatif au niveau de l'IEF de Thiesville sans le consulter et recueillir son avis. Je crois que c'est ça le management c'est faire en sorte que tous ceux qui gravitent autour du, secteur puissent être impliqués et donner leur avis. Merci beaucoup, M. Afansek, inspecteur de l'IEF. Nous remercions aussi euh, le proviseur du lycée de Médinefan, M. Euh, tout le monde me connaît pour mon engagement dans tout ce qui touche l'éducation. Je crois que Monsieur Boussek, là-bas présent, qui est dans l'amicale des anciens élèves du lycée de Midnefal, peut le témoigner, et ses amis. M. Euh, Monsieur a été le, premier à initier les journées d'excellence à Midnefal. Ces élèves qui ont été primés, aujourd'hui sont devenus des ingénieurs, des médecins, des professeurs d'université, des architectes. On en retrouve tout. Euh, c'est aujourd'hui une crème. Il y a des formations les plus pointues, ils sont sortis dans les écoles les plus ingénieuses, aussi bien au Sénégal, en France et au Canada. Et c'est lui qui a primé les meilleurs élèves qui avaient le bac avec mention à leur de temps, d'ordinateur, leur l'heure de téléviseurs, en leur dotant de ventilo et d'enveloppe financière. Le fait d'avoir le lycée et le CM, c'est un combat qu'il ne cesse de mener depuis des années il faut que maintenant que toute la communauté et que les autorités puissent l'accompagner dans les CRD, dans les CD, e pour que ce soit maintenant une réalité. Nous invitons monsieur l'inspecteur Arfansec à venir s'y donner le diplôme de reconnaissance à monsieur Moudi Pourquoi nous avons choisi monsieur l'inspecteur, qui est aussi un acteur de l'éducation, qui est en train de faire beaucoup de bonnes choses au niveau de thiès mais aussi M. Diouf du dialogue social qui ne ménage aucun effort pour que l'école, pour que l'éducation aille devant. Voilà deux symboles de l'éducation, de l'émergence de l'éducation, de l'excellence. Monsieur l'inspecteur, nous vous invitons à remettre ce diplôme de reconnaissance à M. Modi Diouf pour service rendu à l'éducation. Merci. Merci. Le représentant de la mairie de la commune Nord, euh, M. monsieur M. Mori du dialogue social, M. le proviseur du lycée Mednafal, M. le censeur, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration, surveillants général, surveillant, Mesdames et Messieurs chers enseignants, chers professeurs, mesdames et messieurs, distingués invités, mesdemoiselles, messieurs, distingués lauréats d'aujourd'hui, chers élèves, qui sont là, n'est-ce pas hein? Chers élèves, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à vos titres, rangs et grades, tout protocole respecté. Donc, euh, c'est pour nous aujourd'hui un grand plaisir que d'être là pour assister à cette importante cérémonie organisée par le lycée Medina C'est une occasion qui nous est donnée pour faire la promotion de la mystique du travail. Notre pays en a grandement besoin. Il n'y a que le travail qui mène au succès. Il n'y a pas de secret. Je voudrais inviter les élèves lauréats du jour à se lever. Ce sont ceux-là que vous avez Chers élèves, Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Merci. Je voudrais en ce moment demander à l'assistance de leur accorder un banc d'applaudissements très fort parce que ce sont les lauréats du jeu. Merci. Chers élèves, restez debout et écoutez-moi. Les vedettes, aujourd'hui, c'est vous. Les stars, c'est vous. Les étoiles, c'est vous. Parce que pendant tout le long de votre scolarité, vous avez eu à vous donner, à vous battre, et vous voilà aujourd'hui distingué. Je voudrais vous demander de me prêter vos oreilles pour que je vous parle. Je vais vous dire ce que l'administration m'a demandé de vous dire. Et dire, c'est redire. Ça a été déjà dit. Je vais vous dire pour que demain vous soyez bénis et que vous ne soyez pas maudits. Je vais vous dire, parce que dire c'est prédire, et ça a été déjà prédit par vos valeureux enseignants qui sont là, qui ont cru en vous. Je vais vous dire une seule chose, un seul mot que vous, je vous demande de retenir, c'est le mot travail. Il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail qui mène au succès il n'y a pas de miracle. Il n'y a que le travail qui peut nous mener à l'événement. Et ça, vous en êtes rendu compte. Restez sur cette voie, la voie du travail. Restez debout, travaillez pendant que vous avez le temps pour le travail. Parce il y a un temps pour tout. Moi, je connais des gens de ma génération, ils le disent et ils le répètent, que s'ils avaient encore l'occasion de retourner sur les bancs de l'école, ils allaient se défoncer mais c'est dommage, c'est trop tard. Pendant que vous y êtes, faites attention aux réseaux sociaux, faites attention à Facebook, faites attention à WhatsApp, faites attention à YouTube. Il y a du bon, il y a du moins bon. Gardez le temps qu'il faut pour apprendre et étudier et vous n'allez pas le regretter. Restez sur voie, sur voie, chers élèves. Et je pense que vous m'avez compris, je pense que vous m'avez entendu et je pense que vous allez tenir promesse, n'est-ce pas Voilà, donc continuez sur cette lancée et vous n'allez pas le regretter. Merci beaucoup, asseyez-vous. Merci. M'adressant à présent à vos parents, je vais leur dire que vous avez compris, mais nous également, nous avons compris. Nous avons compris que vous nous avez confié ce qu'il y a de plus cher en vous, votre progéniture. Et je vais vous assurer que vous l'avez mis dans de bonnes mains parce que au lycée Medneufal, sous l'encadrement du proviseur, du censeur, de l'administration en général, des professeurs, il y a un encadrement de qualité qui nous vaut ces résultats aujourd'hui. Je voudrais vous demander tout à l'heure, quand vos élèves, vos enfants seront distingués, en leur remettant les prix sous le flash des photographes, je voudrais vous inviter à vous mettre à leur côté pour que cette même photo, qui est une prière pour nous, soit reprise quelques années plus tard, votre enfant et vous prenant la même photo, mais cette fois-ci, vous parents, revenant des lieux saints de l'islam, que ce soit Aramaini, Chérifaini, pour nos parents musulmans, que ce soit Rome, Vatican ou Jérusalem pour nos parents chrétiens, mais que ce même billet ait été acheté par vos enfants là, ici présents. Mais pour cela, chers élèves,

nañ jënd à certains temps précis m'adressant à vous monsieur Gassama je n'aurai pas besoin de crier parce que vous êtes à côté de moi vous m'entendez très bien nous l'administration l'administration académique de thiès en particulier l'administration académique de la région de l'académie en général nous n'attendons pas d'être invité pour venir visiter le lycée Mednefal. Nous, nous visitons le lycée Mednefal de jour, nous le visitons de nuit, nous le visitons à toute heure. Pendant que vous êtes là-bas, pendant que vous n'êtes pas là-bas, à des heures indues, nous passons pour voir et nous enquérir des situations parce que c'est notre rôle. Et c'est ce qui nous a valu, en rapport avec le conseil de quartier, de décrocher à certains instants précis la construction d'un lycée moderne de dernière génération dans le quartier de Modinefal. Nous avons été récemment en visite avec le conseil de quartier, l'inspecteur d'académie, la direction des constructions solaires, le cabinet du ministre. Nous avons visité le site et tout est acquis. Il ne reste qu'à lancer les travaux. Ainsi, Médinefal n'aura plus rien à envier aux autres lycées qu'il y a dans le Sénégal. Et ça, c'est à l'actif du doyen Diouf qui est là, qui, le doyen Badala dit, ils se, ne se sont jamais, ils n'ont ménagé aucun effort. Le Doyen Moudi, tout à l'heure, nous lui avons remis une distinction en votre nom. Mais ça, c'est une distinction que nous pouvons voir. Ce que nous pouvons voir, c'est le Zahir sous son contrôle. Mais dans le Batin, le doyen Moudi, nous lui souhaitons toutes les merveilles du monde possible parce qu'il ne cesse de ménager aucun effort partout où nous sommes il est là au quotidien, nous accompagner. C'est la raison pour laquelle, à chaque année, nous, nous le proposons à la décoration aux ordres nationaux de la nation, à l'ordre national du Lion. À chaque année, nous le proposons parce qu'il le mérite. Il mérite même plus que cela, parce que c'est un parent d'élève qui a compris que nous sommes dans le cadre de l'école de la communauté, pour la communauté, par la communauté, dans la communauté. Et là, il le vit aisément. Je voudrais... Euh, à cet instant précis, vraiment remercier tout le monde, dire que ça a été un plaisir d'être avec vous à Medina malgré les contraintes du calendrier, parce que nous avons déjà été avec les parents d'élèves de ISM. Je voudrais demander au proviseur, au censeur, de nous accorder une remise symbolique pour nous retirer et nous présenter ailleurs, parce que nous sommes attendus. C'est dans la période. Je, vous avez vraiment été aimable en m'accordant votre attention. Et je répète le, rappel est pédagogique. Distinguez lauréat. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Continuez à travailler. Aux autres élèves qui ne sont pas par là aujourd'hui, que ça soit pour vous un défi pour que l'année prochaine, vous vous mettez là. Et pour le faire, il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail pour le faire. Qui sont les prix de consolation euh, qui sont décernés aux élèves qui sont sortis premiers de leur classe, mais qui n'ont pas atteint les prix donc d'honneur et les prix d'excellence. Euh, l'élève Mohamed Moustapha Mbaye de la 5e C. Mohamed Moustapha Mbaye. Voilà, Mohamed Prix de de Moustapha Mbaye, ça y est en ordre là, voilà. L'élève Cherfal peut suivre, hein? monsieur l'inspecteur, vous, voulez, vous pouvez donner donc, euh, ces trois prix à ces trois élèves que je vais appeler. Cherfal, Cherfal de la 6e E. Cherfal de la 6e E n'est pas là. Cherfal. Son parent est là. Son parent. Voilà, donc un élève qui connaît Cherfal, pour, restez là-bas pour la photo, restez pour la photo de famille. Vous pouvez rester pour la photo de famille. Un parent de chef ou une connaissance, un voisin, vous pouvez venir, lui. venez. Chef Ah, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Les trois, vous attendez la photo, les trois. Wow. Mohamed Mustafa est où là Mohamed Mustafa Non, non, la photo, Nyan de la 4e A. C'est bon, vous restez. Ndei Farisek de la 3e C. Vous restez, j'ai dit, vous ne comprenez pas français apparemment. Vous restez, après avoir reçu votre prix. Vous restez. Touti Keita, tu restes. Yelé Yassine Diagne de la 6e A. Yele Yassine Diagne de la 6e A. Vous restez, hein Soyez-vous. Soyez-vous, vous restez pour quelques mois hein, après, après la remise. Yele Yassine Diagne de la 6e A est là, vous, lui donnez son prix. Mbacho Sow de la 6e D. Mbacho Sow de la 6e D. Yele Yassine Diagne Zedi de la 6e A. Elle n'est pas là. Vous gardez le prix, elle est là. C'est bien. Donc vous prenez la photo de famille. Après, on vous donne le micro pour quelques mots, soyez-vous. Je vais juste faire une petite euh, correction. Je ne suis pas encore président de l'amicale, mais je coordonne quand même euh, quelques actions de l'amicale en direction de, en direction de, l'école. Donc c'était pour euh, d'abord féliciter nos cadets de cet excellent travail, nonobstant les conditions difficiles de travail, le cadre les effectifs pléthoriques et toutes les autres contraintes, ils réussissent chaque année à nous livrer de bons résultats à l'échelle de la, de la région et même à l'échelle nationale. Et sur ça, je tenais fondamentalement à les féliciter puisqu'ils ont eu à faire leur devoir. Je pense que, chers cadets, aujourd'hui, vous êtes de la matière première qui entre dans une chaîne de fabrication et il doit y sortir un produit fini. Mais dans tout le processus de fabrication de, cette, de ce produit-là, nous, nous avons quelque chose à défendre, c'est le label de l'école. Vous révisez l'historique euh, de Thiès, vous constaterez que vous constaterez que Medina a un label particulier. Et ça, c'est vraiment le fruit d'une œuvre de très longue haleine, puisqu'on a été toujours accompagné par nos chers professeurs avec qui nous avons des relations particulières. Ils étaient même au-delà de professeurs, ils représentaient pour nous des parents d'élèves, puisqu'ils nous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenus. Et j'ai l'habitude de le dire souvent, c'est qu'à travers l'école qu'on forge la base et c'est sur cette base-là qu'on s'appuie pour occuper les grandes postes de responsabilité, pour être des hommes de valeur et des hommes de compétences. Donc aujourd'hui, si après 20 ans d'exercice, malgré les conditions difficiles, nos élèves, nos cadets réussissent toujours à faire partie des meilleurs, ça veut dire qu'ils en ont beaucoup fait. Ils ont fait tout ce qu'on leur demandait de faire. Donc le reste, c'est à nous, autorités, amicale euh, administration a constitué un task force pour réfléchir sur comment faire pour développer le lycée Medina